auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous, dans votre rendez-vous quotidien du Niger sur Kalangou. Ce 27 avril 2023, je suis avec Samira Amadou Wafi pour la présentation. Mira, comment vas-tu ce matin Je vais super bien, Olivier, et toi Je vais bien aussi, Dieu merci, et j'espère pareil chez ceux et celles qui nous écoutent. Alors, pour ce jeudi, on a quoi au menu sur le Niger sur Kalango En entretien, nous aurons Edem Kanlekou, le délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Avec lui, nous allons aborder la vie des Togolais vivant au Niger. Dans la rubrique Portrait, nous allons à la rencontre de Aïcha Abdou Dandoua, une jeune animatrice radio très active malgré son handicap nous avons une playlist musicale taillée sur mesure qui va faire voyager nos auditeurs à, travers le pays. Nous allons démarrer tout de suite avec le flash d'information. Le flash. Info avec Mokhtar Hamadou. Mokhtar Hamadou, bonjour. Bonjour Olivier et bonjour Samira Roafi. Aujourd'hui, nous allons débuter ce flash d'information avec l'agenda de la primature le Premier ministre Oumoudou Mahamadou, qui a eu dans l'après-midi d'hier, mercredi, une séance de travail avec une délégation béninoise conduite par le ministre d'État chargé du développement communautaire Abdoulaye Biochane. Euh, du fait euh, de la proximité du port de Cotonou qui est devenu le port naturel du Niger, l'intégration entre les deux pays est une nécessité, a expliqué le chef du gouvernement. Il a été euh, convenu de renforcer cette coopération à travers une commission mixte. Euh, par ailleurs, beaucoup de décisions ont été prises dans les domaines économiques, commerciaux et sécuritaires. Une quarantaine, une quarantaine euh, de Nigériens ont été exfiltrés de Khartoum au Soudan grâce à l'appui de la France. Ils ont regagné Niamey dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Ils ont été accueillis sur le tarmac de l'aéroport Yori Hamani et de Niamey par le ministre des Affaires étrangères Hassoumi Massaoudou et l'ambassadeur de France au Niger Sylvain Ité. Les autorités nigériennes ont annoncé euh, suivre l'évolution de la situation au Soudan, notamment le cas des ressortissants nigériens qui attendent encore d'être secourus pour sortir euh, du pays où, malgré les tentatives de médiation et la trêve, les combats ne semblent pas faiblir entre l'armée loyaliste et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Dans le cadre de la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du projet du barrage de Kandaji, une mission d'appui de la Banque mondiale a entamé une visite de supervision des activités qui se déroulera du 25 avril au 2 mai prochain. Les principaux objectifs sont euh, le, sont le suivi de l'état d'exécution des recommandations de la dernière mission conjointe de supervision des partenaires techniques et financiers en novembre et décembre 2022. C'est tout pour euh, le flash d'information de ce jeudi 27 avril. Passez euh, d'agréables moments en compagnie de nos collègues Olivier Sobavi et Samira Rouafi pour la suite de votre émission Le Niger sur Kalangou. Merci, Merci Mokhtar Hamadou pour ce flash info qui nous informe sur l'actualité de la journée. C'est le moment pour nous d'en savoir plus sur notre invité du jour. Notre invité d'aujourd'hui est Edem Kanlekou. Il est le délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Avec lui, nous allons aborder la question de la vie des Togolais vivant au Niger, les difficultés qu'ils rencontrent et le respect des textes juridiques. Mais avant, nous allons écouter de la musique pour commencer. Ah bah oui, Mira, je vous propose d'écouter cette belle mélodie adoucissante de Mr. Flow en compagnie de la talentueuse artiste, interprète et actrice nigérienne Momi Niger. Bah, t'as deviné le son Bien sûr, c'est le titre Aihundo Al-Malaika. Comme vous l'entendez, le titre de le titre Le chanteur est malien, mais résident au Niger depuis quelques années. La chanson est sortie en février 2022 de son album Ma Musique, mais c'est cette année que le son a fait vivre la toile, notamment sur TikTok. Dans cette chanson, Mr. Flow magnifie sa bien-aimée qu'il qualifie, d'ange de son âme. En d'autres termes, sa raison de vivre. Ce sont des paroles du Nord Mali, proche du Niger, un mélange de la langue songhai et zarma, et nous les appelons tout simplement les Gaoboro. yamatarino iniripi cunga bani baunara eige mpebeni bajonga merite sepurkuani swange iga tontan ankeseiga tonmane andinoimeseiga tontan cette sublime mélodie, euh, nous allons entamer la première partie de notre interview. Une interview réalisée dans le cadre des 63e anniversaire de l'indépendance du Togo. Celui que nous recevons s'appelle Edem Kanleko, Il est le délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'on sait que diplomatiquement, les deux pays s'entendent bien. Récemment, euh, le président Bazoum était en déplacement au Togo. On a suivi dans l'actualité, mais on a envie de savoir aujourd'hui comment la communauté togolaise vivant au Niger s'est intégrée, comment cette communauté se porte. Euh, effectivement, diplomatiquement, le Togo et le Niger euh, s'entendent très bien. et cela ne date pas d'aujourd'hui parce que nos deux chefs d'État feu général Nyasingbe Yadema et feu général Seni Kunche avaient l'habitude de dire que le Togolais est chez lui au Niger et que le Nigérien est chez lui au Togo. À leur époque, c'était vraiment magnifique, hein. mais aujourd'hui, l'intégration généralement euh, se passe très bien, mais il y a quand même euh, quelques lacunes parce que vous savez quand vous tombez sur euh, certaines personnes. Nous sommes en Afrique, il faut se dire la vérité. Dans chaque pays, ça se trouve qu'il y ait des xénophobes, des personnes qui n'aiment pas les étrangers, ce qui fait que lorsque un Togolais, et c'est des cas a des problèmes euh, et qu'il se retrouve euh, devant des autorités comme la police euh, et que ce dernier a la phobie de l'étranger, le Togolais souffre. je vais vous donner un exemple qui s'est passé. justement, j'avais envie de vous demander, de vous demander est-ce que vous avez des faits que vous pouvez nous donner un exemple pour, pour, permettre à ceux et celles qui nous écoutent de mettre les faits sur les mots Oui, ça, c'est, l'affaire est toujours sur le tapis. Il y a un jeune Togolais qui commercialise des compléments alimentaires chinois. Euh, il a fait l'intérieur du pays, il est arrivé à Niamey, il a tous ses documents, il me les a montrés. D'abord, euh, la police sanitaire a examiné tous ses produits et on dit que ces produits sont aptes à être commercialisés. Le ministère de la Santé lui a délivré une autorisation d'exercice et il y a environ 3-4 semaines de cela, euh, une unité de la police antidrogue débarque chez lui sans mandat de perquisition, rentre chez lui, prend une boîte de tous ses produits, part et reviennent euh, une heure plus tard et lui disent que bon voilà, euh, vous, ne, vous, ne pouvez plus exercer, il ferme son entreprise et il le met même derrière le barreau toute une journée et le soir on lui fait signer un document forcé qu'il ne doit plus exercer alors que le ministère de la Santé, qui est le ministère de tutelle, lui a donné toutes les autorisations d'exercice. Et le monsieur disait que les agents là étaient au téléphone avec une certaine dame. Ça, ça ressemble à un coup monté. Je ne vois pas pourquoi la police antidrogue peut fermer euh, une entreprise sans raison. Donc, Et vous estimez aujourd'hui que c'est parce que c'est un étranger Il m'a dit que mm. ces gens-là lui ont dit on peut faire ça chez toi, on peut faire ça dans ton pays. Quand même, ce sont des propos à ne pas euh, tenir parce que c'est un opérateur économique, il paye des taxes il apporte un plus un contribuable. Donc on ne peut pas quand même tenir certains propos comme si on peut faire ça chez toi, on peut faire ça dans ton pays. Euh, la moitié ou plus de la moitié du grand marché togolais est occupé par les Nigériens. Et ça nous fait plaisir d'aller au grand marché de Lomé et d'entendre euh, les gens parler Jarma à côté. On leur parle Jarma, ils sont contents de voir que, ah, voilà, telle personne, il est togolais, il est venu du Niger, il parle Jarma. Donc euh, l'intégration se fait, mais il y a encore quelques lacunes que nos autorités, nos deux autorités doivent euh, vraiment se concerter et voir comment traiter ces lacunes. Et l'une des choses qui cause cela aussi, c'est parce que notre ambassade qui nous représente au Niger n'est pas au Niger et n'a pas un bureau de liaison au Niger, ce qui rend souvent les tractations difficiles. Quand il y a des problèmes de ce genre, il faut écrire à l'ambassade à Abuja, il faut attendre que l'ambassade informe le ministère des Affaires étrangères et que la réponse arrive à l'ambassade et que la réponse nous parvienne ici. Ça rend tout le processus très long pour pouvoir aider un frère ou une sœur togolais qui, est... en urgence. Oui. Alors, euh, le Niger, et le Togo étaient en relation, ça fait déjà très longtemps. Avec le temps, justement, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été mise en place et tout. Et aujourd'hui, bah, les deux pays se côtoient. Et, pour autant, on remarque que y aussi au niveau des, des, papiers, c'est-à-dire au niveau des papiers juridiques qui régissent euh, l'existence euh, des, des, deux peuples de deux côtés des frontières, il y a aussi des problèmes. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous sensibilisez, vous aidez, vous accompagnez les Togolais pour qu'ils puissent se mettre en règle vis à -vis de la loi Parce que ça aussi, c'est le défi. Tout à fait. Hein. <laughs> Merci beaucoup. Et comme euh, vous le disiez tantôt, les relations datent euh, de très longtemps. Les papiers juridiques, euh, c'est un problème. Rien que le mois passé, nous étions à Dosso, à la rencontre de, la communauté togolaise. J'ai pris la peine de leur expliquer parce qu'il y a beaucoup de lois que le citoyen lambda ne maîtrise pas. par exemple, vous rencontrez un Togolais qui est au Niger qui a sa carte d'identité nationale et son passeport togolais. Et il dit, mais moi, j'ai pas besoin de permis de séjour parce que j'ai ma carte, je ne suis pas un sans-papier. Alors que dans la charte de la CDAO, il y a le droit d'entrée. Tout ressortissant d'un pays membre de la CDAO a le droit d'entrer dans un pays membre de la CDAO avec euh, son passeport. Et il a 90 jours pour pouvoir euh, visiter, faire du tourisme, si on peut l'appeler ainsi. Donc ça, c'est le droit d'entrée et le droit de séjour. Mais si euh, le ressortissant veut s'installer dans le pays, supposons qu'un Togolais arrive au Niger, dans les 90 jours, il explore le pays, il dit mais j'aime ce pays, je veux m'installer ici pour travailler. Maintenant, il va rentrer dans le droit de résidence. Et pour résider, il lui faut obligatoirement faire un permis de séjour pour pouvoir exercer son métier librement dans le Niger. Et à force de cela, la carte consulaire, qui est une carte qui est reconnue par les autorités parce que l'ambassade est accréditée par euh, le Togo et l'accréditation est reçue par le Niger. Donc la carte consulaire aussi permet de pouvoir euh, vivre librement et résider dans le pays. Mais le permis de séjour est très important. C'était la première partie de notre interview avec notre invité du jour. Chers auditeurs et auditrices du Niger sur Kalango, l'émission se poursuit. Aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous que des tonalités à faire vibrer vos cœurs et réveiller vos âmes sensibles. Nous allons faire une pause musicale cette fois-ci avec le son Tonka qui veut dire tout simplement du pion en langue Hausa. C'est ce titre de Didier Mastertaf en featuring avec Shoba que nous écoutons. Cuba, Babylon. Dunderland, Dunderland, Dylan. Must top got that minky dinky. I can keep on getting kowa. Yaki soki bandama. Kece ne masauki na. So mu manta da kowa. Minene dadin soyayya. Minene tsari. daɗi hamma zahi kin zamo mini tonka ga daɗi ga zahi kin zamo mini tonka sai daɗi hamma zahi sabida ke sun buge ni mm, sabida ke sun sage mm, ni sabida ke mm, sun kore ni sabida ke sun tsane ni Alma Sacos dos abalistas qui ne le savent pas, DJ Mustafa de son vrai nom, Mustafa Omarou, a commencé le métier de disc jockey après le master en Algérie en 2014, car il avait du temps libre qu'il n'arrivait pas à exploiter. Aujourd'hui, c'est le DJ le plus sollicité de la capitale Niamey lors des grands événements et dans les et, dans les boîtes de nuit les plus hippées de la ville. Eh bien, si Didier Mastata fait bien connu du public, euh, je dirais que l'artiste en qui il est en featuring, c'est-à-dire euh, Mr. Shoba, il est moins connu. En tout cas, moi, c'était une grosse découverte pour moi. Voix originale, talent incroyable, force à l'artiste. Chers amis auditrices et auditeurs, nous allons poursuivre notre émission. Retour dans la deuxième partie de cet entretien avec Edem Kanlekou, le délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, un organe qui s'occupe de la prise en charge des questions liées aux Togolais vivant à l'extérieur. Alors, dites-nous, vous êtes combien de délégués pays dans le monde Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, euh, que nous appelons HCTE, a été installé officiellement en 2019 et nous, nous sommes la deuxième mandature. Nous avons pris fonction en novembre 2022. Et novembre 2022, nous sommes 48 délégués pays au total, euh, répartis sur euh, environ 70 pays sur les cinq euh, continents. Maintenant, en Afrique, nous avons 27 délégués pays. L'Afrique a le plus de délégués que sur les autres continents. Aujourd'hui, c'est vrai, vous avez dit euh, que vous êtes beaucoup dans la sensibilisation, à la mise aux normes et puis à l'acquisition des documents juridiques par les Togolais vivant au Niger. À part ça, qu'est-ce que vous faites pour les Togolais vivant au Niger D'abord, euh, moi personnellement, ce que je suis en train de faire, c'est d'abord de faire euh, savoir aux Togolais sur toute l'étendue du territoire nigérien qu'il y a cet organe-là qui est le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, que les Togolais sachent que quand ils ont des problèmes, des difficultés, quand leurs intérêts est en jeu, ils ont un organe ou une institution vers qui se tourner. Parce qu'après notre installation, une euh, lettre officielle a été envoyée au ministère des Affaires étrangères euh, du Niger pour leur notifier que je suis le délégué pays des Togolais au Niger. Récemment, en février, quand j'étais à Lomé, j'étais au ministère des Affaires étrangères de Lomé lorsque la réponse du ministère euh, des Affaires étrangères du Niger était parvenue à la direction des Togolais de l'extérieur. Donc ils savent qu'il y a cet organe-là ici au Niger et que je suis le délégué pays. Donc euh, c'est pour cela que nous étions à Dosso deux fois déjà et le mois de mai qui commence bientôt, nous prévoyons aller à euh, Zender et descendre à Maradi sur le chemin de retour faire escale à Et le mois de juin, nous prévoyons faire Tawa et Agadez. Et au temps opportun, nous prévoyons aussi rendre visite à Difa. Tilaberi, c'est à côté de nous. Nous feront-ils à d'un jour à l'autre. Donc nous aimerions que les Togolais sachent qu'il y a cette institution. Et ce que nous avions fait, nous avons un point focal dans toutes les régions du Niger. C'est à Difa seulement qu'on n'a pas encore un contact. Et ces points focaux nous permettent de ventiler les informations. Quand nous recevons les informations, nous envoyons ça à ces points focaux qui informent aussi la communauté togolaise à l'intérieur et pour que tout le monde soit au même niveau de l'information. Parce que pendant les campagnes pour euh, mon élection, j'étais effectivement à Maradi. Et personne n'a jamais entendu parler du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Les Togolais de Maradi ne savaient même pas qu'il y avait trois délégués pays à l'époque qui ont servi pendant trois ans, ce qui n'était pas normal selon moi. Donc euh, c'est ce que nous faisons. Et secondo, nous aimerions vraiment et je lutte, je pousse fort pour que les autorités togolaises nous gratifient au moins d'un consulat honoraire, ce qui va faciliter vraiment l'établissement des pièces euh, consulaires parce que les Togolais aujourd'hui, pour faire une carte d'identité nationale, il faut dépenser au moins 60 000 dans le transport pour aller faire une carte d'identité qui coûte 5 000 francs ce qui est vraiment trop selon moi. Et nous luttons avec les autorités et l'ambassade pour qu'ils nous agréent et qu'ils nous s'installe un consulat honoraire pour faciliter cela. Donc euh, ce sont les actions phares que je suis en train de mener. Et l'autre point vraiment qui est très important pour moi, c'est aussi l'étudiant togolais au Niger. On a plein de jeunes togolais qui sont des étudiants ici, qui n'ont aucun soutien de l'État. C'est vrai, ce sont des gens qui viennent après leur bac s'inscrire à l'université, avec les fonds de leurs parents. Ils sont en location, ils doivent manger, faire des photocopies, acheter des livres. C'est une grande charge pour les parents et pour eux. Donc, euh, il faut que l'État togolais pense à soutenir d'une manière ou d'une autre ces jeunes étudiants qui sont les futurs leaders de notre pays. Merci beaucoup. Et si aussi euh, ceux et celles qui nous écoutent ont aujourd'hui envie de s'approcher du HCTE, vous êtes disponible, vous êtes euh, présent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, vous êtes euh, également présent. Alors, on va avancer un peu dans cette interview. Aujourd'hui, il est très difficile de quantifier le nombre de Togolais vivant au Niger. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs de recenser un jour euh, les Togolais vivant au Niger pour dire que au Niger, voici tel nombre de, Togolais qui vivent Parce que je discute avec des gens comme vous, je discute avec des gens qui sont au niveau du gouvernement togolais, mais c'est très difficile pour quelqu'un de me dire de telle date à telle date, on a tel nombre de Togolais au Niger. Oui, euh, c'est une triste réalité. Euh, je sais que le dernier recensement général effectué au Niger de 2013 disait qu'il y avait 13 000 Togolais au Niger. Mais le constat est que entre 2013 et 2023, le nombre de Togolais qui ont foulé le sol nigérien est probablement au-delà de 10 000 Togolais. Beaucoup de jeunes diplômés, beaucoup de jeunes euh, particuliers qui sont venus. Maintenant, dans notre feuille de route, euh, il y a effectivement le recensement des Togolais. Euh, sur l'étendue du territoire, ce qui n'est pas une tâche facile. Nous sommes là avec mon équipe restreinte en train de réfléchir sur un système pour euh, recenser les Togolais. Nous savons que presque tout le monde utilise maintenant le réseau WhatsApp. Nous sommes en train de réfléchir quels moyens utiliser pour qu'au travers de WhatsApp, les gens puissent se faire recenser sans aller sur les sites. Parce que le constat est que quand vous envoyez des gens sur des sites web, ils ont des difficultés à y accéder et à remplir des formulaires. Nous sommes en train de réfléchir à cela et les points focaux vont aussi nous aider dans ce recensement parce qu'ils sont en contact avec les Togolais qui sont dans leur région. Euh, je les ai encouragés à créer des relais. Je prends un exemple, le point focal de Dosso, il est chargé d'avoir un relais dans le département du Gaïa, un relais dans le département de Loga, ainsi de suite. Donc euh, quand lui, il a les informations, il peut filer cela à ses relais dans les départements pour que ces gens puissent nous aider à avoir approximativement un nombre de Togolais au Niger parce que j'ai fait pratiquement plus de 200 villages au Niger, villes et villages, et le constat est que le plus petit village que vous visitez au Niger, il y a un Togolais. Nous souhaitons une bonne fête de l'indépendance à tous les Togolais et Togolaises vivant au Niger et un peu partout dans le monde. Chers amis auditrices et auditeurs, c'est le moment pour nous d'accueillir Aladin Maïga pour la rubrique hebdomadaire. Aladin, comment vas-tu Je vais bien Olivier, comment tu vas Super. Alors tu as quoi pour nous aujourd'hui alors, Samira, aujourd'hui dans notre rubrique éducation, nous allons parler de cinéma, plus précisément de réalisation. Exactement, ce que je voulais euh, te demander, c'était euh, comment, pour planter le décor déjà, explique-nous un peu ce qu'est la réalisation cinématographique. Ok, euh, la réalisation cinématographique, en fait, c'est le processus de création d'un film. Depuis l'écriture du scénario jusqu'à la post-production, le réalisateur est le responsable de la mise en scène des acteurs, des choix des angles des caméras, les mouvements de caméra, les montages, l'ensemble. En fait, on parle ici de l'ensemble des composantes du film. En d'autres termes, le réalisateur est celui qui supervise coordonne tous les aspects de création du film pour donner vie à la création artistique. Parce qu'il faut le dire, un film, c'est une création artistique, même si beaucoup de gens ne veulent pas euh, qu'on dise que les réalisateurs sont des artistes. <laughs> C'est donc un métier très important dans l'industrie du cinéma. Techniquement, techniquement si on veut, euh, si, je vais dire que en fait, la réalisation cinématographique cinématographique implique la mise en place d'un ensemble complexe de techniques visuelles, sonores et narratives pour la création d'un bon film. Alors, décris-nous succinctement à quoi consistent les différentes étapes que tu viens de nous citer. On commence par quoi Qu'est-ce qui est au milieu Et on termine avec quoi Ok, on commence par quoi Qu'est-ce qui est au milieu On termine par quoi ah, Ça, c'est typique ce que font les, euh, les étudiants quand on dit euh, introduction, développement, conclusion. Tout à fait. <laughs> Mais en réalité, le film, c'est au-delà de, de, ça. Certes, il y a introduction, développement, conclusion, mais c'est encore plus complexe. On va dire il faut d'abord passer par l'écriture du scénario. Mhm. Les réalisateurs travaillent souvent avec les scénaristes pour écrire les scénarios du film, étape euh, c'est une étape cruciale car elle euh, euh, raconte le déroulé de l'histoire qui peut être réelle. C'est-à-dire que ici, quand il écrit le scénario, le réalisateur avec son équipe technique, ça peut être un ou deux. pour la réalisation, l'importance pour la réalisation, c'est comment il va mettre en scène euh, toutes les séquences du film. Mhm. C'est ça en réalité quand on parle d'écriture de scénario et tout pour euh, la réalisation. Ici, c'est vraiment comment je vais mettre en scène, qu'est-ce que je vais faire, euh, euh, comment je vais faire que la scène soit artistique et tout ça. Donc ensuite, nous avons la pré-production, le réalisateur planifie, le, réalisateur planifie les plans, euh, euh, planifie les, endroits où il va faire le tournage, où est-ce que je vais faire le tournage, sélection des plans, etc. Et sélection des, des endroits de tournage, on appelle ça le... Le, repérage, le, repérage, la sélection d'équipes de tournage, la sélection des costumes, des décors, la mise en place, la logistique, etc. C'est tout ça qu'on fait dans la, euh, euh, la pré-production pour, pour, une vraie réalisation. Il faut que tu fasses ce travail-là. Ensuite intervient le jour, le tournage. Le réalisateur supervise le tournage du film en travaillant avec l'équipe de tournage, les acteurs, les techniciens pour créer des images et euh, sons. C'est-à-dire que le jour du tournage, c'est ça que se perd la magie. Ça, il, il, Imagine parce qu'il doit mettre euh, une transition à tel endroit. S'il est en train de verser de l'eau, euh, le gars qui est en train de boire de l'eau, ça sort sur un fleuve, ça sort sur la mer, ça sort sur quelqu'un qui est en train de se noyer et tout ça. Et mhm. lui, il doit penser, le réalisateur, dans la réalisation, il doit penser à tout cela sur le tournage pour que quand il finit de le tournage, il n'y ait pas de problème de, euh, lors du montage pour dire ah, oh, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela Donc il doit programmer tout ça pendant le tournage. Ensuite vient la post-production qui est la troisième écriture du film, comme il dit, la conclusion. <laughs> la post-production, là, c'est vraiment le montage. Et pour faire un très bon montage, euh, en réalisation, vous avez plusieurs techniques, plusieurs angles, le champ, contre-champ, comment vous allez utiliser les images, les profils, les angles et tout. Donc, il faut faire ce choix-là. Le réalisateur doit faire ce choix-là pour que sa réalisation soit euh, magnifique, quoi. Parce qu'il ne faut pas que tu mettes des plans où, euh, qui n'ont aucun rapport, ou bien hein, dans ce plan-là, cette personne, elle porte une, un t-shirt bleu, vert, et de l'autre plan, et de l'autre plan, elle, elle, elle porte un t-shirt rouge ou marron, il y a les faux raccords qui sont là, les faux plans qui peuvent exister et tout ça. Donc, dans la réalisation, il faut que les réalisateurs, lors de la post-production, pensent à tout cela pour éviter de faire ce type d'erreur-là. Alors Aladdin, étant réalisateur toi-même, euh, quel est le secret pour faire euh, une bonne réalisation Secret pour faire une bonne réalisation, on va dire qu'il n'y a pas de secret particulier pour faire une nouvelle <laughs> réalisation. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de magie, il faut beaucoup de travail. Mhm. Donc parce que euh, on va dire chaque film est unique et a sa propre esthétique. Mhm. Par exemple, quand tu regardes euh, Batman, quand tu regardes le film Batman, dès que tu plonges dans le film, tu vois tout est noir. Et pourquoi Parce que Batman, ça, on parle de chauve-souris. Donc l'environnement de la chauve-souris. C'est toujours noir. Exactement, tu vois. Donc dès que tu rentres dans le, dans, le film, tu comprends que voilà, ce film, c'est un film dark, tu vois. Tout ce qui est esthétique qui, va, qui sera mis dans le film, c'est la même chose. Mm. Et quand tu regardes, par exemple, un film comme euh, Spider-Man, et, là, c'est éclairé. Il y a, trop la de couleur. Pourquoi Parce que les spiders, on va dire, ils sont, euh, ils doivent s'accrocher à des immeubles, à des machins et tout. Donc, ils ne peuvent pas faire ça à l'intérieur. Il faut faire ça à l'extérieur et tout ça. Donc, c'est cela aussi. Alors, pour, pour terminer, Aladdin, aujourd'hui, on doit comprendre qu'il faut beaucoup d'intelligence. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ont envie de devenir euh, réalisateurs, en une phrase, quel conseil as-tu à leur donner euh, Le conseil que je donne à tous les réalisateurs, les jeunes réalisateurs qui veulent vraiment faire de la réalisation cinématographique par la réalisation télé, la mm. réalisation cinématographique. Il faut beaucoup se former, il faut lire, il faut regarder des films, surtout regarder des films parce que c'est la partie la plus importante de, de la réalisation d'un film, de l'apprentissage à la réalisation d'un film. Il faut regarder beaucoup de films. Plus tu regardes des films et tu es confronté à plusieurs types de, de, de réalisations, de réalisation, et ça te permet toi aussi, en fonction du projet sur lequel tu travailles, de savoir quel plan je dois choisir, comment je dois faire mon découpage technique, quel, comment je dois faire le découpage artistique, qu'est-ce que je dois mettre. Merci beaucoup Aladin Maïga. Quand il part du cinéma, il faut l'arrêter. <laughs> Sinon, on peut en faire deux heures. Aladin, merci. Tu repasses quand tu veux pour nous parler aussi de d'autres sujets. Inch'Allah. Merci beaucoup, cher ami. Alors à présent, nous vous proposons une bonne dose d'amour en amour. Comme vous le savez, ça peut être beau comme ça peut être orageux. Le son qui arrive est signé Riki Amusa Poussi. Elle nous arrive avec le titre Hakinso qui veut dire droit en amour en Hausa. On l'écoute. on the auditrices et auditeurs, comme vous l'avez remarqué dans ce son, l'artiste a laissé parler son corps, brisé par un amour qui n'a pas été et tu sais, la profondeur de ces mots, la sincérité des paroles ne laisse personne indifférent. Exactement, Olivier Rekia est l'une des filles du célèbre actrice-chanteur nigérien Feu Moussa Poussi. Elle a pour passion depuis sa tendre enfance déjà la danse avant de devenir une actrice des films Hausa ici au Niger version hindoue, communément appelée Dandalin Soyeya. Vu que le métier n'était pas super développé ici au Niger, elle part au Nigeria pour joindre l'industrie cinématographique Hausa Kannywood en tant que danseuse avant d'avoir son premier rôle d'actrice d'un film à succès, Aisha Humaira, dont elle était l'actrice principale. Nous allons poursuivre cette aventure radiophonique avec notre reportage régional. Et c'est la capitale Niamey qui est à l'odeur. Et nous allons parler des hippopotames. Les hippopotames et les populations riveraines du fleuve Niger cohabitent ensemble, mais souvent cela constitue une menace pour ces populations. Mais il arrive de trouver quelques-uns de ces animaux morts euh, dans le fleuve, comme c'était le cas il y a environ un mois, je crois, et cela a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Plus de détails dans ce reportage de Omar Hama qui était sur place lors de la découverte du cadavre de l'hippopotame. Il y a quelques semaines, un hippopotame a été retrouvé mort dans le fleuve Niger, du côté de Karigoro, sur la rive droite. Le pêcheur qui l'a découvert témoigne. J'ai passé la nuit au bord du fleuve et à 3 heures du matin, quand je retournais à la maison, c'est en ce moment que j'ai croisé cet hippopotame au bord du fleuve. Quand je l'ai regardé, je savais que ce n'était pas une pierre, c'était un hippopotame. Et de retour le matin, je l'ai trouvé encore là-bas. J'ai dit, ah, parce que je pensais qu'il dort. Et le matin encore, le même endroit. Et c'est pour ça, quand j'ai fini de pêcher, je suis allé là où il est et j'ai pris des pierres pour essayer s'il il est vivant ou pas. C'est en ce moment que j'ai commencé à lancer ces pierres. Et j'ai lancé plus de 10 pierres. J'ai vu que vraiment, il n'était pas en vie. C'est en ce moment que j'ai fait alerte à la maison euh, dire au chef du village. Moussa Mamoudou, maire de la commune rurale de Bitinkogi, explique la procédure après la confirmation de la mort de l'animal. On a trouvé un autant mort au niveau du village de Karigourou, Aussitôt informé, donc on a appelé l'agent de l'environnement pour venir faire le constat. Et puis l'agent donc de l'élevage, il est venu aussi faire le constat vérifier si la viande est bonne. Effectivement, après le constat du vétérinaire, il dit donc la viande n'a pas de problème, la viande est consommable. Même si les autorités sanitaires ont donné leur aval pour la consommation de la viande du pachyderme, aucune précision n'a été donnée sur les causes de la blessure de l'hippopotame, qui selon le maire pourrait être la cause de sa mort. L'environnement et les vétérinaires, ils ont dit sûrement, il est blessé en haut avant de venir ici, donc il n'est pas été attaqué ici, donc il est blessé en haut, il est venu juste mourir ici. donc euh, les causes, on ne connaît pas les causes. Mais sur le ventre, il y a des il y a des trucs qui sur les qui montrent que l'ont attaqué quelque part. Ces derniers mois, d'autres hippopotames ont trouvé la mort dans cette partie du fleuve, aux environs de Niamey. Cependant, nous attendons toujours les explications de la direction des eaux et forêts sur la perte de ces animaux. Merci Omar Hama qui est avec nous au studio. Alors Omar, comment tu vas déjà Oui, je vais très bien. Et vous oui, moi ça va. Mm. Alors déjà la question que je voudrais te poser d'abord, c'est de savoir comment est-ce que tu es tombé, euh, comment est-ce que tu as eu plutôt vent de ce qui s'est passé. Bon, merci euh, d'avoir me posé cette question. Bonjour d'abord à, l'équipe. Mm-hmm. Et c'était le samedi matin, j'étais chez moi lorsque la dame forestière est venue alerter la mort de cet animal. Et et j'étais à côté, je me suis approché à côté d'elle et puis on est allé ensemble sur les lieux. Donc j'ai passé toute la journée ensoleillée et réalisé ce reportage. Alors que représente la mort d'un hippopotame pour euh, les villageois, les gens qui sont autour du fleuve ouais, Les riverains. Les riverains. Euh, mais c'est une joie puisque et, pour c'est la viande facile qu'ils ont <laughs> retrouvée et puis c'est pas facile de retrouver ce genre euh, de d'animal. Euh, aquatique, euh, dans l'eau, c'est pas facile euh, de les trouver euh, morts comme ça là. Donc, je peux dire c'est nous, c'est la énième fois même dans notre village Karigoro. Ok, merci beaucoup Omar Hama. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui donnent plus d'ampleur à ces gens de phénomènes. Merci d'avoir passé et passé et partagé ce beau moment avec nous. Tu sais, pour le moment, c'est l'heure pour nous de retrouver Asumi Gourouza pour la partie sport. Gourouza, bonjour. bonjour Olive. Tu as quoi pour nous euh, Mais ça va et chez toi Ça va très bien. Dis-moi, tu as quoi pour nous Oui, euh, nous allons parler également euh, de la première place du classement général du tournoi international du diathlon sprint en Centrafrique. Oui, en effet, la compétition a eu lieu dimanche dernier avec la participation de 10 pays, dont des ressortissants français et américains le Nigérien Issoufou Sani a décroché la médaille d'or dans euh, la catégorie élite et Mohamed Ama dans la catégorie générale. La deuxième et quatrième place ont été remportées par le pays hôte, euh, la Centrafrique, et suivi du Bénin. Notons que le diathlon euh, de cette compétition, c'est courir 5 km, pédaler 20 km et 2 km de euh, Mas Samira. Alors, euh, Gourza, des athlètes burkinabés au 4e championnat d'Afrique d'athlétisme à Lucas. Lusaka. Euh, Exactement. c'est la capitale zambienne. Et ce sont six athlètes euh, qui vont euh, prendre d'ailleurs euh, part du 29 avril au 3 mai 2023 au quatrième championnat d'athlétisme U18 et U10 à Lusaka dans la capitale zambienne. A t appris mardi dernier de la Fédération burkinabé d'athlétisme Après avoir remporté les compétitions du meeting de l'espoir de Tamale, Tamale c'est au Ghana, mhm. les Italiens vont cette fois-ci se fronter aux meilleurs athlètes d'Afrique de leur catégorie. Parlons à présent football. La Fédération royale marocaine de foot a confirmé son arrivée dans quelques jours en Algérie pour la phase finale de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, prévue du 29 avril au 19 mai 2023. Oui, Olivier, euh, contrairement à son absence à la dernière minute au championnat, vous vous rappelez, au championnat d'Afrique des Nations, mhm. organisé au mois de janvier, mhm. le Maroc a visiblement changé de plan, car l'importance de cette compétition qui va se dérouler est la qualification pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Pour rappel, dans cette phase finale, la sélection U17 du Maroc évoluera dans le groupe B en compagnie du Nigeria, de l'Afrique du Sud et de la Zambie. Voilà euh, pour aujourd'hui, euh, Samira. C'était très enrichissant, Gourouza. Merci, beaucoup, Gourouza. À très bientôt et tu ah reviens quand tu veux. Ah, mais merci beaucoup. <laughs> C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec toi. Alors, après le sport, nous enchaînons avec la rubrique portrait. Aïcha Abdou Dandoua est une jeune mère de 28 ans. Après ses études secondaires du premier cycle, elle s'est intéressée à l'animation radio en langue Hausa. Cependant, son handicap de son handicap n'est pas facile. Cependant, son handicap n'est pas un bon allié. Celui-ci lui rend son déplacement difficile. Oumu Ouaru nous propose son portrait. an aihe ni a damagaram a unguwar unwala a litara ta sa'in da biyar aka aihe ni na yi ikwal unwala na samu satifani da judo ina samu wannan na kasance ina da shekara biyu na same ta bayan na faɗo daga gado na yi sai judo e e ban ci gaba ba kinan baba na ya rikar kinan ba iya biya mun a rika kai na ana dawo sai aka bar lakwal zu gida na zamna an 2000 aka buɗe amfani a zandar aka buɗe amfani a zandar na shiga na fara amfani na yi wata wata takwas na yi amfani na bar amfani yanzu har gida na sake zama sai an domin tuwa aka buɗe shukura muka je muka buɗe shukura mun buɗe shukura da wata ɗaya ne armi an domin tuwa na zo niyami da na zo niyami an domin tuwa november domin tuwa na fara na fara a sarauniya to har yanzu kenan nake sarauniya me a dalilin shigan ki aikin gidan rediyo yawan sauraron radiyo sa ni na shiga aikin radiyo gani ne ina zaune ban da aikin komi na iya kuma karatun Hausa ina karatun Hausa ina iya Hausa ina iya na rubutu shi ke dalilin da sa na shiga aikin radiyo saboda zaman banza kana zaune baka aikin komi a gida baka lakwal sai na shiga aikin radiyo daga animasiyon muka fara mm, muka fara animasiyon daga shi muka fara labaru kenan abin da muke yi ban cika zuwa report tashi ba saboda ba da mai kama mini. Aisha kina da matsaloli cikin wannan aiki? Babu wata matsala alhamdulillah sai dai ta zuwa da sauwa ita ce matsalar abin hawa shine ka hau ka samu taxi ka zo ka samu abin hawa ka samu matsala tun da ba kawa ba gare ni akwai matsala tsayuwa sai mu rana ko mai gidana ya kai ni. Wace irin karuwa kinka samu cikin wannan aiki? Kuma abin da ka samu a ciki ka samu jama'a sai kama Allah godiya. Kina da wani sako zuwa ga masu fama da nakasa musamman 'yan uwanki mata. an kiran da zama mata 'yan uwana masu nakasa su dogara da kansu su dogara da kansu su dogara da bara mm, ka je ka nema da kanka ya ka yi bara Allah bai son bara mm, kenan ka nema duk yadda Allah ya yi ka ba don bai san ka ba kenan sai ka je ka nema da kanka daidai abin da zaka iya yi ka je ka yi ina masu wannan kira da duka ma mata ma kowa yanzu kan zauna duniya zama bayyayi kowa ya nemi na kanshi mm. naka yahi daga shigar cewa wani bani wani bani zai ya gashi kenan kiran da zama mutane kenan mata yan uwana mata na kasasu da ma masu lahiya kowa ya nemi na kanshi Merci à Omo Omoro pour ce portrait. Nous allons, euh, sauf nous, nous allons plutôt nous offrir une pause musicale et notre choix de cette euh, minute est Manigo de Idisaki, c'est-à-dire Où es-tu divagar des femmes du studio Kalango qui s'annonce comme ça. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation à bon escient des biens publics. Rafika Taher et Rabi Mekono nous en disent plus. affairage, journée est finie, il est temps de rentrer à la maison. Où est mon sac même Ah, enfin à la maison. Bonsoir grande sœur, tu es seule je n'ai rien éteint dans mon bureau, j'avais complètement oublié. Mais bon, ce n'est pas grave, le vigile le fera avant de fermer. Ah, je vais me rafraîchir un peu. Tu vas où Reviens. Je vais me laver. Tu as besoin de moi ou de quelque chose <laughs> Tu me m'étonnes vraiment. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait encore Tu rentres chez toi, dans ton bureau, tu n'as rien éteint. Où as-tu la tête Tu penses que c'est normal Même si j'ai oublié les vigiles les éteindront à ma place. <laughs> Tu vois ce genre de comportement Pourquoi attendre qu'on le fasse à ta place C'est le vigile qui les a utilisés Hé, eh, lâche-moi un peu. Ce n'est pas de ma faute si tu es de mauvaise humeur. Hmm, tu sais, si ces appareils se gâtent, c'est toi qui vas travailler dans des conditions lamentables. C'est utile pour toi, tu en profites et en bénéficies, parce que ça t'aide dans ton travail. Ton employeur ne les a pas ramassés. Il a financé pour te mettre à l'aise. Est-ce que tu vas contribuer pour payer la facture d'électricité ou bien pour payer l'ordinateur Non, à ce que je sache. Ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Tu en parles souvent à la maison. Change ton comportement, c'est mieux, ma chère. Tu as certainement raison, mais c'est un oubli. Je ne l'ai pas fait exprès. <laughs> Une ou deux fois, ça peut se comprendre. Mais à répétition, tu le fais exprès, espèce de paresseuse. <laughs> Oui, paresseuse. Ces biens peuvent servir au bien-être de chacun sur ton lieu de travail. À ce titre, tu dois t'investir à avoir un comportement positif vis à -vis de ces matériels et participer aux actions d'entretien et d'amélioration de ceux-ci. Hey, je t'ai dit que c'est juste un oubli. Et pour l'entretien, les techniciens sont là pour se faire le travail, non <laughs> On te parle, tu refuses de comprendre. Arrête de te tuer comme ça. D'accord, je t'écoute. Les biens publics font partie intégrante de notre vie au quotidien, surtout dans les bureaux, les espaces publics, une collectivité locale, un établissement public, etc. Dans ton cas, ce sont des biens privés, ils appartiennent à une société privée, donc tu dois faire encore plus attention. Tu peux avoir un avertissement pour négligence envers les équipements de ton bureau. Hein. Tout, ça peut aller jusque-là. C'est exagéré quand même. Juste parce que j'ai oublié d'éteindre un ordi et puis un climatiseur, on va me sanctionner. C'est trop, voilà. Aïma, c'est trop. Hum. Continue comme ça. Tu viendras me trouver ici pour me dire que j'avais raison. Blague à part, ne recommence plus. Fais un effort pour éteindre dorénavant. D'accord, surette. Je sais que c'est pour mon bien et pour la bonne marche de la société que tu me dis tout ça. Je te remercie quand même pour tes conseils. <laughs> Chaque jour, un conseil et ça se passe dans le Loti, dans l'émission Le Niger sur Kalangou. Merci aux femmes du studio Kalangou qui nous gratifient de ces beaux conseils. Pour nous, c'est le moment de recevoir Soumana Amadou pour la rubrique linguistique. Il nous parle aujourd'hui de vaccination. Soumana, bonjour. Bonjour, madame et messieurs. Bonjour. Eh oui, nous sommes dans la semaine africaine de vaccination et actualité oblige, nous en parlons toute la semaine. On définit la vaccination comme étant un moyen simple, sûr et efficace de vous protéger des maladies dangereuses avant d'être en contact avec ces affections. Les vaccins stimulent que, donc, le système immunitaire pour euh, créer des anticorps de la même manière que s'il était exposé à la maladie. Mais comme les vaccins ne renferment que des formes tuées et, ou atténuer des germes, des virus ou des bactéries. Ils ne provoquent pas la maladie et n'expose pas le sujet à des risques de complications. La plupart des vaccins sont administrés par injection, mais certains se prennent par voie orale ou par aérosol nasal. Donc, quand on vient en Fulfulde, hein, voilà, euh, Effectivement, on dit la vaccination veut dire tout gal. tugal ngal ko waɗante woni waɗanta kenani ngam allah e heɓa neɗɗo hiisa ñawuji bonɗi sanne laatiɗo ne wawi nanngude neɗɗo torra neɗɗo nden eɗen tawa ele jaɗɗire nde ittanani leyɗe afrique gam batte allah e tugal ngal ɗum saabi ganduɗen haala muɗum seni jomum tufama ko woni e tugal ngal woni ɓiɓɓe ñaw mbarago naadu koyegal ko tampina kam wattete ƴiƴam ɓi adama ga ƴiƴam ɓi adama heɓa kañum du sogeji ko wawi durududde e ñawgu enɗa nanda hono ñawgu nangui ɗum ni ka non ɗum watta ko jomum ñawa ɗum liɓata jomum waɗanta ɗum fo saɗɗorma ko tufe no hokke yara prévenir aide à lutter contre les maladies en fofulde ça donne quoi prévenir le vaccin aide à prévenir contre les maladies nden noon no walla ko watta ko sigilo voilà. Merci beaucoup, euh, Soumana. C'était très enrichissant. Alors, euh, chers amis auditeurs et auditrices, euh, c'est votre minute à vous. On vous laisse avec vos messages que vous nous avez envoyés. sunana rakiya suleiman class da premier ado to a gaskiya muna sauraron radio studio kalangu saboda yana badakar da mu don saboda musamman ma wanga shirin da kara muna muna jin daɗin shi sosai sosai amma sai dai ɗan lokacin da muke saurare sai shirin ya ɗau daɗi sai a ɗan kintse mana ina gaida kowa da kowa kuma ina gaida yan gidan radio ma'aikatan studio kala ngu ke garin yamai assalamu alaikum ni ne ma mamman sabiu mai zama birnin kwani kan gidan radiyon ga ka muna jin daɗin shi kullum muna sauraron shi ɗari bisa ɗari don sabida al'amuransu muna jin daɗi suna waye mutane kai abun da ba gane ba za ka ji labarin shi kuma ka gane shi ka samu karuwa abun da haka muna murna muna horin ciki kuma za mu goyon baya ɗari bisa ɗari duk lokaci in Allah ya za mu saurara saboda akwai ci gaba ciki akwai karuwa ciki da haka fatan mu Allah ya sa abu zan alheri ga kowa da kowa lai abun yana kayatarwa saboda kun ga matasan nan ana waye masa da kanunsu yannan mata da yara duka ana wayi masu kanin su kowa yana samun karuwa cikin lamarin akwai ci gaba don haka muna fatan Allah ya dorar da abun Allah ya samu gane Allah ya samu dace alhamdulillah assalamu alaikum na madam Hadiza Usaini ni ce malaman makaranta a inspection ta primary school ta ɗai na kula da karatun ɗiya mata a cikin inspection kin ta studio kalangu gaskiya studio ne tana wayewa kai daga karkara hannun karkara kwanne har cikin kominikin kwanne ana waye mata kai biskan harka eh, rigakahi na rashin lahiya na ɗiya kuma rigakafi da mata ya kamata su yi na vaccination su ma kuma ana wayin mata kai na karkara bisa kan harkar tsabta ana waye musu kai kuma akwai labaru da suka bamu kenan mu sai mu ce studio kalangu kamar studio kinmu ce ta mata tunda gaskiya akwai wayewa kai akwai sensibilization fanni-fanni na harka wani karuwa da mata ka yi na, na harka gona ko na abin gashi wuri-wuri duk abin da activity kin mata duk kalangu shi na sa hannu shi waye kai tunda ba a daɗe ba da an kai journée ta duniya duka international de la femme studio kalangu ta ji ta kawo nata gudunmuwa ta zaka tare da mu mun kai sallah kuma ta yi muna tambayoyi kuma ta sa a cikin radio ga wannan journée kin kuma muna fata waga journée ta national kuma ta kawo gayyatatta tana kokarin ta kuma wallahi mun ji daɗin activity kin da take yi sosai Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers amis auditrices et auditeurs, nous sommes presque à la fin de notre rendez-vous de ce jour et avant de se dire au revoir, recevons Nafissa Adamou Sirfo pour les titres du jour. Bonjour Olivier. Salut. Bonjour Samira également. Bonjour Nafissa. Alors, l'arrivée à Agadez le mardi 25 avril d'environ 700 migrants refoulés de l'Algérie sera à la une de notre édition d'information de ce jour. Nous parlerons également culture avec une exposition photo Zender 1900 qui sera organisée par l'association de sauvegarde du patrimoine historique de Damagram samedi à Sergi Pontoise. Ce sera en France en marge de la journée culturelle du Niger. Enfin, dans le magazine, le maire de la commune de Tilaberi parle de la cohésion sociale qui règne entre les déplacés internes et les populations de la région. Restez à l'écoute. Très enrichissant. Alors, on se dit à ce soir, Nafisa. Chers amis auditrices et auditeurs, nous sommes à la fin du rendez-vous de ce midi. Prenez soin de vous. Rendez-vous demain avec un autre duo. Et n'oubliez pas, demain, il y aura la revue de la presse parce que c'est vendredi. Et chaque vendredi, c'est justement la revue de la presse. Prenez soin de vous et puis restez fidèles à nos programmes. Et à l'émission Le Niger sur Kalango, bien sûr.